devant le bon Dieu que je suis le meilleur dans ce pays et je vais le prouver aujourd'hui. di le depuis ma à commencé que le plateau bi ci ki ñuy pas pas Kanyi se trouve un peu partout dans le général, mais il vient du Mali. après Mali c'est un avec Kanyi. après le Kadi, c'est le Xaay. là où habitent les juges de l'Acadie, puis dans le Saloum, Ndramé Escale, Ndramé Kandi. Quand on peut dire Kandi, on peut dire Ndramé. Ndramé, Kandi, Sosé. Ndramé, c'est Kandi, Kandi, c'est Ndramé. N'est-ce pas, on c'est Kandi ma dugg nag ak fii ci Thiès. li Maasali da wax dëgg la dëgg da dëkku daan seen waaye dafa gàttu lool lool lool lool mu tudd doon gàttu lool joueur de foot yi mu tudd dafa gàttu lool équipe de foot yi mu tudd dafa gàttu lool ci koo xam ne da ngaa taxaw seetaan Idrissa Seck ku taxaw seetaan Idrissa Seck football nekk milieu terrain équipe bu neex teg Thiès étudiant club te kenn mënu ko dindi ku fekk yaa ngi njëgën football yaa ngi njëgën nga fekk mu football ah soo fekkee Bouba Diakhao football kooku defe naa ne ñeneen li Olof Njaay di wax naan soo waaree ñaay ba wàcc e ko leneen loo wax day tuuti bu ba jaxaaw seen kër mi ngi yoonu seen Jean de Dieu nga romb armeel yi daal di barabiiku daal di wuti moroomam lu xuus njaay bopp ak furum ba tere ngay def ñoo tuuti jama loolu lépp mi ngi bopp ci région ngay Thiès am gune yu fi judd yu ko xamul waaye dama bëgg nga dugg ci làmb. dañ ciy dugg. fi la Dakar waa dëkk. bu doon fàtte fii la laa nit njàng dëkk. bu doon fàtte jekk kaala fii dëkk. jekk kaala c'est le théâtre booy ñoom. ñu koy wax ñoom ñu mën a jaayam akam dëkk. mbapat mi nekkoon fii nekkoon mbayaalu ñëw ñoom mu daal nekk fii ñoom mu daal nekk fii ñoom te ñoom lu nekk fii ñoom jugal nekk fii ñoom njaga nekk fii ñoom lanu njaay nekk nekk fii lii ma lay boobu Maodo Anta juddoogul lii ma lay wax boobu Jeex Jaamu juddoogul lii ma lay wax boobu Matar Ndoye ambulance juddoowul dëkk na dem ci loolu moo fi nekkoon dañuy dellu si soo nga sax ñu def commencé boobu garage marawaa yi ci maaxo yi soo ci masaa ñu topp laaj bi ramul taaxi kaw romb kaw sarafal lan moo nekkoon ci yoon yéen laa koy laaj lan moo nekkoon ci roon yi nga romb Kawsara Fall romb taaxi kaw wuti Madina Fall lu fi nekkoon ci yoon yi mais gaynde gan non non non non am na lu fi nekkoon de am na garab bu mag bu fi nekkoon ak guy nu muy ñu tuddoon foofa nekkoon guy Ousseynou kooku moo nekkoon guy gu doylu. jërëjëf papa. léegi ñoom. yaa ngi dem Pikine. jërëjëf papa am na ca kaw. foofu la góor gi njaxat mu dëkk. nu dellu si waat nag. Masab la wax ñu fi bëree. dañuy dellu si waat sax ñaata wax laa naan fii ci biir Thiès. wax na lan moo waral turu Thiès. jërëjëf ndax Thiès. ab jànkeem dëkkal ab jabaar nañu. Thiès doom mi ngi tuddoon Kaañ. moo leen wax àllu Kaañ. dëgg it jërëjëf papa euh, li moo tax ma am mbégte may leen sama papa la ko waay lii xam li ni mënoo leen ko woon am su papa ñëw woon du ngeen ko am ci Thiès kaay leer na ma ne am na ñu fi juddoo te xamuñu ko ma lay gërëm baax sama papa ji li moo tax ma lay nam ma ci sama plateau rond central su ma la gisul damay wéet waaye annoncé nga ko léegi euh, du ma ci wéet benn yoon itam ndax waa Thiès ñoo ñu dalal ku ci mel ni Pape Kanja mi ngi fi présent sur le plateau ma bàyyi ko mu nuyoog téléspectateurs yi euh, mbooloo mi maa leen di nuyu di leen sant euh, vraiment di leen dalal jàmm ci Thiès di ñaan yàlla émission bi ñu tàmbali ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilah rabil alamin man na maay pap Kandji euh, yàlla def ma ma nekk premier président bu walidan FC maa leen di sant leen gërëm. Pape Kandji je it dalal ak jàmm ci rond central dem yéen ñu dalal sax waaye rond central gi tam man ma len dalal ma lay gërëm bu baax baax itam euh, je l'ai je sur mon plateau il est tout le temps présent ci émission bu mag bobu di rond central man suma ma tourné gisuma ko itam damay wéet il s'appelle Malan Sané l'enfant chéri de la banlieue Malan nuyu et bienvenue sur le plateau de rond central. Euh, bonsoir Marceline maa lay fay bu baax a baax di nuyu waa Thiès ñom ñi nga xamné ñoo ñu dalal depuis hier. di wax ne kontaan nañ bu baax a baax a baax ci accueil bi di euh, gërëm suñu PCA muy Bakary Cissé buñ ci noppee gërëm suñu directeur muy Mbaye Sène ci condition yi nga xam ne ñoom aussi teg nañ ko. parce que dañoo innové dañoo innové parce que footballu Sénégal ak sportu Sénégal dafa sooxe woon yenn plateau yu di mel parce que plateau yu di mel Europe lañ koy gis. dëgg la bu Mbaye ñëwee. am inspiration créé li nga xam ne mooy Central Rond Central nekk ci li nga xamné moy ci 17 lois du jeu yi loi bi ci njëkk muy loi 1 day wax wu terrain su waxee waxu terrain day wax dimension dimension terrain ñaar ñoo am

def nañ ko yu baax a baax ñu fësal ko am yoo xam ne ni ngi sooxee pour ngeen rester en Ligue 1 ñu war a yóbbu Rond Central loolu moo waral tey jii deuxième numéro bi ñu andi ko fii di Thiès maa ngi sant Marceline je vous en prie. maa ngi lay gërëm yooyu bu baax euh, Malang Sané vraiment euh, lii laa koy doy man ci plateau bi pertinence am rek su ma tourné gis ko wax naa leen ko du ma wéet moom annoncé na ko léegi mi ngi nuyu ki nga xamante ne moo di Algaf Diagne moom it ma baax Walidane FC ma koy bu baax ci plateau Rond Central Algaf maa ngi fay Ma Sary merci beaucoup donc euh, di nuyu monsieur Malang di nuyu notre premier président du club. Mhm. di nuyu euh, ñëpp ñu nekk plateau bi maa ngi nuyu la région de Thiès di dalal des euh, des sports au niveau de Thiès. Mhm. une première parce que une équipe qui fait ça c'est quelque chose de vraiment très très très important. gërëm di leen ci sant. Mmh. vraiment à travers votre directeur général. waaw ñu naan tur comme ça Sodi. événement bi mën a am. on mmh. se remercie beaucoup sur cette euh, initiative.

Je ci Thiès ma ci ki nga Pape euh, Kandji également euh, lan historique comme que yow premier président du club je suis le premier création club Nous nu commencé naka lañ ko créé nga historique un peu pour ñu ko xamul woon premier club yi euh, Marceline je crois que parce que FC

mais dafa am lu ndaw lu ma ci bëgg a wax mooy le Waynaat FC bi ñu koy créé c'était pour la zone l'ensemble de quartiers yi nga xam ne ni moom moo séq entre Cité Lamy Diouf Mbour euh, Somme Lazare loolu tax ñu créé Waynaat FC donc c'est en 2006 la ñu am idée boobu vraiment ñu créé Waynaat FC. ok donc ngeen créé Walidan FC en 2006 mën nañu sori na soriwul mais teewul depuis la création de Walidan FC ñi ngi jéem ñi ngi góorgóorlu tey ngeen def ben prouesse bu extraordinaire yow en tant que premier président naka nga gisee prouesse boobu c'est-à-dire votre qualification en Liga non non loolu li ma koy jàppee mooy mbégte mbégte ak jaajëfal ki nga xam ni moo waral lépp muy alkaatian mi toog parce que tamit olam jaajëfal yi bu léegi lekkee olam na ko gën a may coy moom mii la ko yàlla tuddal mu jaakati loxoom. mu nekk ci sonn lool lool lool lool te yaakaar naa ni c'est pas que dafa jël Waldaan yóbbu ko Ligue mais dafa jëlee Waldaan national 2 yóbbu ko national mhm. yóbbu ko Ligue 2 tey jii mu yóbbu ko Ligue 1 donc tey bi Waldaan ci maturité 2006 ak 2000 ak 2024 mooy 18 ans donc si maturité bi yàlla def moom mu jël Waldaan eggal ko fi nga xam ni mooy ndax képp footballu Sénégal mooy Ligue 1 liggéey xëy na ñun ñoo fi def yi ñun ñoo ko fi teg mais nag moom ak équipe am

fait à travers euh, niveau historique qui kii euh, Kandji joxe c'est vraiment l'esprit et la fierté de la ville parce que boo xoolee Walidane li leen c'est-à-dire que c'est des gens c'est des hommes de défi Nous avons depuis une année nekkee ci nawetaan et tout ça c'est des gens qui ont défi yu gën et ils ont sont allés les réussir à ce national institution si l'on de nous vraiment ce club là. si nous la ñu vraiment euh, équipe bi ñu jël nag équipe bi fondé ko si ay valeurs yoo xamante yu am surtout la passion passion de faire nekk la passion du foot mm-hmm. la solidarité nekk ci équipe Walidane dévouement de ce qu'on fait c'est-à-dire que lépp lu ñuy def dañ koy def ak gëm-gëm ak bëgg-bëgg dem ci nag ba jeex loo mën a loo war a investir da nga koy joxe à 200 pour cent. effectivement loolu mooy fondement yi nga xamante ni moo indi tey moom la ñu moo indi tey Wally Daan mhm. te on a ces sur ces fondements là le Wally bâtir et on va continuer à bâtir quelque chose sur cette histoire. parce que oh, loolu daal oh. la mën a dans un premier temps. on l'espère vivement en tout cas vous continuer à bâtir fondement boobu wala vous na ko léegi nee na yéeg ngeen yaakaar na ni dootoo leen wàcc wala que vous la ak invité. waaw rek mooy ñu rester en en Ligue 1 la Ligue 1 c'est pas une mince affaire parce que nous ñu doog a retard de salaire kenn déggu leen ci non paiement de salaire waaye dégg nañ leen bu yàggu dara ci équipe bi nga championnat bi def na plus de deux mois ba tey joueurs yi jotaguñu seen prime mu am équipe bo xamné jouer le final bu yàggul coupe du Sénégal bi ñibi seen kër yi 20000 francs lañ leen lañ ñen jox askan di laaj yu mel nonu est-ce que yaakaaru leen war na jeex Sénégal équipe bi nga xamné ils sont champions pour une première fois tay jii ñoom ñu war représenter la région de Thiès en Ligue 1 sénégalaise biñ ko jëlee ba légui joueurs yi jotaguñu prime président.

c'est quelque chose boo xamante D'où, ce c'est pas un nous ko fait c'est quelque chose que nous avons fait. jël si boo xoolee niñ ko ci liñ basé je pense que c'est basé sur peut-être le retour que nga xamante ni les lay équipe bi di am soo jëlee champion depuis Il y a des équipes qui xamante ni jël champions fi champion depuis du Sénégal depuis ils sont jamais rentrés dans leur fond Tu comprends donc

c'est fait à dessein parce que bon, voilà, on est en train de refaire vraiment beaucoup de choses, de préparer le beret. Donc avec moi, mais c'est pas c'est pas un souci et je pense qu'on a une communication très transparente et ci profiter profité ça pour pour voir euh, li nga xamante ni mooy moom la indi en fait sur équipe. je pense que y a un élément bu l'ol indi moi l'intégrité et la clarté bi nga xamante ni moom la def ci ñun ñuy gérer le club je pense que du lenn lu dul loolu la ñu indi au niveau de la gestion club ba nga xamante ni li question bi ngay du ngay tudd nii yéen peut-être vous pensez que c'est un problème en fait je pense que c'est pas un problème à notre niveau alors ah, ñun ak joueurs yi xamante nañu parce que am na feneen fu ñuy jaar lu ëpp loolu luy doon prime yoo xamante ni dañ leen ko defal ba nga xamante doo dégg peut-être soo ko déggee peut-être bon je sais pas xamu fu mu jaare fu mu jógee mais je pense que jour kenn du la fi ñëw di la wax ce genre de besoin là du dëgg donc moo tax ma ne la am nañu benn relation de une transparence boo xamante ni may ñu que ni retard boobu am nañ expliquer nañ ko et je pense que euh, ça va se régler sous peu de temps loolu du problème je pense que c'est pas le point le plus difficile effectivement alors euh, Pape ñi gis ni la plupart du temps président yu mel ni ñoom dañuy sonn parce que euh, ñoom ñooy yëkkati seen xaalis bopp di def ci club bi Euh, ñi leen di jàppale du bëri naka nga gisee loolu vu que la dernière fois waxtaan nañ ci HLM et que amoon na sax ñi nga xamante ne dañ leen di jàppale c'est très difficile ci loolu naka nga jàngatee loolu après ma ñëw ci moom pour question boobu egg itam mu tontu ci xool wax ndax am nañ accompagnement par rapport ak club bi. waaw mhm. micro bi mhm. benn soo yoree club boo xam ne jaayagoo benn joueur. Mhm. benn joueur demagul amagoo benn transfert ñu doon ay gune. te nga bëgg leen a maintenir ndax nag soo leen téyewul dina nu génn tay loxo dugg ci yeneen loxo soo leen téyewul dem na ba ci fii ci réew mi équipe nationale mhm. am na ci sous région bi ko mun leen ndax lagetug neen nag naxul béy lagetu neen naxul béy am na ñu ko mën am na ñu jekku jamono am na ñoo xam ne yor noonu ay club yoo xam ne di ko ñoo xam ne gu ne gu lang dinañ la jël am na ay club yoo xam ne tey soo dee xool ak COT am na ñoo xam ne soo leen xooloon ñu ngi jóge ay Pikine ay xuru naar ñu xam leen ñu dëkk ay HLM ñi dëkk ay Derklé football nanu fii nekkoon ci ay industrie yoo xam ne fa nanu mujj dem ñi dem ay DEN ndax moyen moo tax ñi nekk ICS ndax moyen moo tax ñi nu jël leen yóbbu leen Taïba ndax moyen moo tax ñi nu yóbbu leen lam-lam ndax moyen moo tax xam naa ci ñu bari ñoo xam ne Dakar nañ jógee ñëw football ci raay te fa nu jóge mënuñu leen a téye ndax ñàkk koom wax na la ko nee na séq nañu ngor ñun ak joueurs yi séq nañu teraang ñun ak joueurs yi bien boo sax donte compté da ngeen leen a jur nekk ak ñoom fu ngeen leen ne jaar leen fa nu jaar fa doon dem jamono moo jóge foofu dina dem ba joueurs yi dina am ñeneen ñu leen soxla. Mhm. ñoo xam ne ñoo leen ëpp ay moyens. defe naa loolu gisoon nañ ci benn xale bu toogoon ci plateau ba. effectivement papa alors papa euh, euh, comme nous papa euh, Diriger le club de famille, complexe nga bokk ci de ko diriger euh, nekk premier président bi est-ce que euh, à ton époque 2006 euh, yàgg na yàggul waaye am na ñoo xamante ñi ngi jouer ci club bi sax 2006 fekkul ñu juddu donc est-ce que bi nga ko commencer gérer yow début bobu c'était difficile tu y mettais tes propres moyens wala amone nga accompagnement de bonne volonté wala ay mécènes yi nga xamantene ñi nga doon wala peut-être même les autorités de Thiès. maintenant na métti la wax ah, na mais yalla daf ñu dimbal muy man muy Algaf muy Pierrot muy manager muy kenen ak kenen manam dañoo mbapat mbapat xam nga mooy lan ci football mooy dañoo jaar ci nawetaan te nawetaan investissement à perte la mooy koo xam ni da ngay nekk ci koñ li lay ñor mooy mbégte koñ ba mooy koñ ba avancé nga yëkkat sa alal di ci def donc kooku tey jii boo delloo ci football si football championnat muy football professionnel ak football amateur donc jàpp naa ni euh, li Algaaf wax sànq la passion bi passion boobu moom moo lay jiital ba nga xam ni doo xam sax li ngay def parce que tamit euh, man benn année laa ko yor dëgg la mais bi ma fa jógee taxul ma génn ci football bi parce que ba tey jii am naa centre mi ngi Dakar donc ba football mais football Sénégal le problème que le football Sénégal est à genoux c'est ça le problème Le football Sénégal est à genoux dafa exemple Il y a des joueurs qui di Soudan Soudan c'est le pays Sénégal moo pays Soudan Sénégal Soudan mais bu vous avez des bay fi dem Soudan donc politique sportive du Sénégal la vous avez a parce que club poste yoru ko la warante ak joueurs yi salaire mooy ku feebar ñu faj la mooy logé na leen mooy nourrit na leen yor na équipe bi ba équipe bi yeeg Ligue 1 donc am na yoo xam ne ceci explique cela tey ji bu fekkoonte ni boo gañee champion nekk Ligue 2 ca suba sa ñu viral la sa xaalis jàpp naa ni sa ngoon sa di nga jox joueurs yi seen prime donc problème bi ñëpp xam nañu fan la fan la affaire bi bañee fam bañee mooy si ñi nga xam ne ñoo jiite football bi te il faut ñu wax ko mënuñu lu dul jaajëfal président yi xam nañ ñoom la ñuy daj parce que neexul yor say mbokk yor sa kër yor say doom yor leneen bëgg a te li nekk Dakar nekkul Thiès Dakar au bord des clubs yo xamni ne municipalité lim len leen di jox macha allah la monsieur le maire mi ngi mais na euh, ah. jot na jot ngeen non jot nañu. ñu ñëw nañ fi def tirage coupe maire Thiès. waaw avec les 96 AC mhm. où le le docteur Babacar Diop dit qu'il a remis au club de Thiès 10 millions de francs CFA. 10 millions au club de Thiès. Mhm. chaque club de Thiès au pluriel au club de Thiès. y a combien de clubs de Thiès. donc à chaque club de Thiès non c'est 10 millions de club de caisse. au président ou à chaque ah, club. waaw y a beaucoup de clubs. non non c'est pas à chaque club hein. c'est pas à chaque club. 10 millions c'est tous les clubs de l'ensemble des clubs de Thiès. Laisse-moi te dire uh-huh. qu'une équipe de ligue professionnelle dépense minimum 75 millions. ou plus. non de Ligue 2. 75 millions par le micro, s'il vous plaît. Je pense que je pense qu'il nous a accompagnés. Mhm. Euh, nous ko remercier. Mhm. Le mhm. montant, je pense que ce qui est important, moi, vraiment, vraiment l'accompagnement, l'investissement, l'engagement communautaire, la mairie, je pense que c'est ça qu'il faut vraiment plus mettre en valeur c'est pas peut-être le monde parce que tey joxe na peut-être que suba il va faire plus. et, dans l'accompagnement j'aimerais savoir ndax euh, joxe na la a même s'il y a beaucoup de clubs est-ce que tu as des partenaires yi nga xamante président aussi il faut mu un carnet d'adresse bu yaatu bu permettre euh, mu accompagner li nga club parce que président a une vie, il a sa vie autre chose du mu consacré consacrer mis à part le club est-ce qu'il y a des partenaires les infrastructures qui sont à Thiès. ou peut-être les bonnes bonnes volontés qui sont à Thiès qui vous accompagnent parce que HLM bi ñu fa sponsors c'est des gens qui les ont euh, accompagnés est-ce qu'il y a des gens qui ont fait tout par exemple depuis que le Walidan est en ligne professionnelle c'est vrai qu'on a été accompagné par un sponsor principal qui est là qui est Transinter que vous voyez sur accompagne régulièrement et de façon vraiment très soutenue. Donc jusqu'à ce que nous ayons. Pour voir deuxième étape, on est, on, a, on est en train de travailler avec la mairie sur un projet de partenariat tripartite. Je pense que ça engage l'ensemble des entreprises locales du Sénégal, de, de, de la région de Thiès. de Lolo, je pense que je pense que les discussions sont en c'est, c'est, c'est vraiment confirmer et matérialiser ces trucs-là à travers les, les, contrats d'objectifs, des contrats, donc tout ce qu'on peut faire, ce que l'équipe peut amener en, en, fonction de la visibilité bien xamanteni mom lay on est en train de travailler sur ça. Donc euh, lepp lo gis lepp lo gis rek lay c'est très facile peut-être nga top club une équipe sénégalaise professionnelle lañu comparer avec le Paris Saint-Germain Barcelone dafa yomb trop c'est pour dire à ces ñun ragaluñu pas nous ñu xam nañu nous jëm on connaît très bien le business on connaît très bien comment nañ nous Et c'est pas tout top je sais pas qui a combien d'années dans dans le championnat 80, je ne sais pas combien. Il y a 18 ans, nous avons en maturité. Mhm. Donc, donc, donc, je pense que l'Ola Lendio, donc, donc, je sais que 19 avons On verra bien. Alors, on verra bien très rapidement. Euh, c'est vrai que vous avez parfaitement raison, il faut vous tirer le chapeau. Parce que le club est là, il y a de Yek. Il y a une ligue de

Si ñi nga xamné ñu ngi bitim rew sponsoring bi seen loxo ci parce que gisuma ne aussi ci ci ci vous l'avez pas marqué est-ce que lu am la wala lu amul c'est des fausses informations ou bien c'est réellement quelque chose de de de d'ancré. c'est la famille euh, à Landing Jata ou la la et, le jeune cadet qui est le capitaine. non non c'est je dis c'est Transinter à travers Transinter Non, ils sont tous derrière ça. D'accord Donc c'est à travers Transinter que nous avons supporter l'équipe depuis trois ans. Donc c'est quelque chose de soutenu et c'est vraiment l'occasion de les remercier que c'est très rare qu'une entreprise n'ait que chez soi, des jeunes, et puis qui s'investit non seulement dans le sponsoring, mais aussi même dans les activités du club, d'y mm-hmm. vraiment d'y participer activement. Et je pense que ça, c'est à féliciter, c'est à encourager c'est l'occasion pour toutes les entreprises locales pour que nous nous def parce que il va c'est euh, ils ont tous un engagement communautaire parce que nous ñuy def c'est pas pour la notoriété mm. c'est la première fois donc moi je suis pas un presque public donc li ñuy c'est pour notre communauté c'est pour la région de Thiès mm-hmm. et donc le rayonnement de la région de Thiès c'est dafa jot dafa et c'est ce ce manque là mon tax ñu def ñu nekk depuis une dizaine d'années. Mhm. d'accord ça fait une dizaine d'années qu'on est fille de l'équipe. une équipe maintenant fille, c'est un sommet maintenant il y a l'autre montagne bi mérite xamante ni avoir joué les premiers rôles une grande équipe Chess warnock na et je sais que si on arrive à réunir toutes les forces vives de la région de Chess derrière équipe, on va le faire. moi, sportivement, j'en doute pas. L'engagement de la, de communautaire de toute la région, de, toute la ville de Thiès, derrière ce club-là, on va faire les résultats. Ça, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Président. Euh, c'était un plaisir de t'avoir accueilli sur ce plateau de rond central, vraiment. Euh, plateau bi la vraiment di vraiment remercier euh, encore vraiment le plateau de remercier de remercier Je un appel vraiment à tous les forces vives de la région de Thiès que euh, cette équipe n'est pas l'équipe du quartier ou de la localité d'origine c'est une équipe de toute la ville de et je fais un appel vraiment vibrant à tous ces personnes ces ressources que nous avons intégrer et activement dans ce club-là. vous avez de la valeur ajoutée vous pouvez le faire donc nous c'est ouvert à tout le monde pour pouvez et pour en profiter vous aussi appeler les entreprises locales Nous ñu mais c'est important de le faire de que Walidan euh, va présente sera. Euh, euh, une équipe qui, sera, qui aura une grande visibilité sur la, la saison prochaine et qu'il y aura des événements de majeurs. On a besoin de vous et votre engagement et votre engagement à travers la communauté tchessoise est vraiment demandé. C'est un appel vibrant que je ferai à tout ça et que nous sommes pour nous rehausser la ville de Thiès. Parce que Thiès, va vibrer encore pas seulement peut-être sur déggee dégâts c'est politique lañ ko déggee wala ci mais sur le sport on a notre rôle à jouer et je pense que on est là on est on est là pour ça merci beaucoup président Algafre merci également à vous président Pape c'était un plaisir de vous avoir accueilli sur ce plateau de Rond Central ma bàyyi la nga tàggatoo waaw maa ngi tàggatoo di leen gërëm di gërëm waa DS Sport di xamal tamit ni le Walidane euh, a beaucoup fait parce que c'est en 2006 date de sa création le njëkk jël coupe du Sénégal cadet première année Wal Daan dañoo coupe du te li euh, l'équipe de Louga a fait Waldan était à deux doigts de le faire parce que deux fois le Waldan a joué demi-finale coupe du Sénégal la demi-finale de la coupe du Sénégal deux fois Ben bi contre Renaissance ben bi contre Djaraf. donc le petit air Algaf donc vraiment présent. Nous avons fait. jaajëfal la xamal ni ñun ñëpp.

ginnaaw nag lépp fii la daal di tàmbale muy terrain Walidan Walidan nag ñu ngi ko créé en 2006 ci lañ ko daal di créé moom nag ci année boobu noonu cadet daal dinay gagné li nga xamante ne moom mooy coupe du Sénégal en 2010 tamit mu daal di gagné junior waaye nag ñoom fii nii la walidaan daal di commencé dinañu am ñaari walidaan yoo xamante ne bokkuñu muy walidaan civil ak daan nawetaan moo tax ñu naan ASC walidaan ñu naan tamit walidaan FC waaye tey nag dañu fee ñëw ngir waxtaanee seen terrain bi xam yan événement moom moo gën a remarqué ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ci gox gi am kuñ ci daal di waxtaanal tuuti ma ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. tour bi nan la. Chérif Assane un supporter de l'ASC Walidane. Euh, Serigne fii ni lan moo la gën a marqué ci ci ci terrain bi ak lan nga fi gën a fàttaliku. waaw tout d'abord maa ngi nuyu les internautes de D-Média e di nuyu sa équipe bi nga àndal euh, waaw ASC Walidane nag dafa nekk une équipe boo xamante ni bokk na parmi les meilleures équipes euh, de la région de Thiès du ma sax département de Thiès bon li ma ci gën a marqué nag mun naa ni quand on était bi joué national 1 bokk na ci li gëna a parce que nga joué plus de 10 équipes yo xamante ben équipe rek mo wara a yëg loolu moom dafa nek lo xamante ne lu ma remarqué quoi vraiment voilà. Euh, ban match mo la gëna remarquer ci terrain bi ne. waaw ci terrain bi bon bari na bëri na xam nga le plus souvent fi ay match amicaux mo fi faral di am moy loolu mais ci match officiel dal peut-être ay quelques matchs sélection mais bu ma ci marqué parce que fi so xol dafa bëri ay talent quoi. mais match yëpp daal mooy marqué Kafa mooy loolu. yan joueur ñoo nekk talent yoo xamante ne seetaan nga leen fi xamante ne joué nañ fi ñu ngi évoluer ci ci yeneen ci yeneen gox wala ci euh, international. waaw waaw ils sont bëri nañ bëri nañ on parmi mën nañ citer ku ci neen ni Pape Matar Sarr am tamit euh, Sidi di ay ay Janjaay donte Janjaay par exemple évolué wul fii nii mais par exemple dañuy ñëw fii di jouer ay match bëri nañ waa ay Habib Diallo ñëpp dañ fi ñëw ah. voilà ñu nek ay joueurs yo xamanteni ils sont très très talentueux quoi. ñu gis na yow yaa ngi dëkk ci gox bi bi ñuy sànc terrain bi fi la la fekk. non fekk mo fi mais bon <laughs> fi lañ dëggee quoi xam nga ñu dem ba adhéré wu si eh, équipe bi en tant que supporter xam nga di essayer jàppale équipe bi quoi voilà ba tay ji on est champion de la Ligue 2 quoi mooy lool lan ngay euh, lan mooy sa mbébét euh, ci équipe bi konte ne nga supporter nga euh, Wally dal daal dinay dal dina yéeg li nga xamante mom moy euh, Ligue 1 yow lan nga leen di ñaanal. wa xam nga Ligue 1 déjà dafa xaw metti euh, compétition la bo xamante plus de dix équipes ñoo fay nekk te bi nga yéeg euh, heureusement ba ni quatre personnes quatre équipes lañ soxla won pour ñu yéeg mais finalement mujjee nañu être un champion ba dem fi nga xamante ne la Ligue 1 mais voilà ñi ñaan équipe bi xam nga jël duma ni sax sori mais dañ koy jël quoi parce que objectif bi loolu lañ ñu war a commencer d'abord après ñu xool. équipe yi naka lañ mën a def ba am joueur professionnel encore ci Ligue 1 bi quoi pourquoi pas ñu mën ko am ci championnat bi voilà loolu daal la ñuy ñaan ko ñu ngi fii nii nag ak tey euh, l' international Nicolas moom nag presque fekk na lépp ci daan tey nag moom lañ ñëwoon seet si Nicolas maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay Adamel di leen nuyu ku ci ne sa tur sant di nuyu sa caméraman bi di nuyu sama rak yi fi nekk nii bokk ci événement bi ñu woote nii quoi di la nuyu tamit di la gërëm di la jox sa wàccuwaay Nicolas dañoo bëggoon nga ñëwal ñu tuuti ci terrain bi terrain bi nan lañ ko créé nan lañ def ba wàlli daan ñëw commencé fee entraîner aussi waaw mën naa ci ne lima ma ci jot a fekkee mais mën naa ko wax parce que man wàlli daan fii laa jaar naa fii ci ñaari équipe bi yëpp mais équipe bi bi équipe bu bi équipe bi newtaan waaw daan man ba may fubal fii newtaan kër yi yëpp amul mhm. benn kër fi amoon muy kër gi parce que li li ko wër yëpp ay mbaama fi nekkoon séeréer yi ñoo ko moomoon teere waldaan dafa tàlli woon nii yoon ndam la ñëw gars yi xatal ko ci dagal ko ci man li ma fekkee ci terrain bi yàgg na ci la daan championnat bi ñëw bu mu débuté ñoom waxtaan ak ñoom Alain Sarr Alain Sarr moo nekkoon président bi bi fi Alain nekkee président bi mu jëlee club bi après ci la ñëw ñoom Algaaf Diagne door a ñëw ñoom Ngañ ci lañ leen jox équipe bi ñu liggéey ak ñoom parce que ñoom dañoo dem ba à la fin ñoom ñoo ci duwal gars yi pour ñoom ñu ci liggéey li ma ci jot a fekkee fekkee naa ko te équipe bi maa ko yéegal ba muy nekk national dernière bii bi ñu war a dugal man maa ko dugal équipe bi yeeg national ba léegi nii loolu. merci beaucoup à Adamel de l'équipe de la rédaction pour élément boobu nga ñu indi ci terrain walidaan bi wax nga ko foofu la lépp soso waaye balaa maa ñëw ak yeneen invité yi ma dalal dama bëgg aseko yi yëngalaat fii tuuti ndax xaw na low ah waxtaan bi dëgg la neex na waaye dafay low damay bëgg aseko yi di yëngal ndax man ambiance samay dundal n'est-ce pas acca la ñu dem Sigo, sigo, sigo, sigo, sigo. Cara do Mano Maior! Ali daan vraiment euh, neex na ndax yéen a may xumbal fu mu nekk nii su yaram bi seddee rek yéen a koy tàngal kontaan naa ci yéen trop euh, ma am mbégte kontaan te dalal ñeneen ñi nga xamante ne ñoo fi ñëw mise à part euh, invité yi ma njëkkoon dalal ki ci njëkk mooy monsieur As Dem muy vice président premier vice président de l'ASC Walidane As Dem nuyu naa la. maa ak Père May di leen remercier qui l'ont eu ñu dalal fii seen plateau. merci Nous ngi lay gërëm yow it bu baax a baax waaye yow it du yow kasa yaa fi ñëw ndax vice président bu fi il s'appelle monsieur Pérez ma koy nuyu bu baax di ko dalal plateau Rond Central. waaw aussi maa ngi leen di nuyu euh, Marceline euh, monsieur Sané et Père Mbaye je vous euh, je dis encore merci aussi à Des Sports qui qui nous accueille aujourd'hui sur ce plateau merci. Euh, merci beaucoup à vous alors nous euh, ngi leen di dalal bu baax a baax euh, ñu wa yéene waxtaanee li nga xamante ne Walidane ak sport en général dans la région de Thiès alors ASC Walidan def montem monté bu extraordinaire vraiment ñëpp kontaan ci ñu leen ci féliciter di leen encourager bu baax baax déjà comment avez-vous accueilli cette nouvelle déjà une préparation de longue date yag ngeen ko waajal wala dafa jékki-jékki rek ñëw parce que c'était une saison difficile ñëw tambalé ci sen kanam ngeen and ci mbégte bon mënuñu surprise parce que bon boo ko nous dafa un travail qui a commencé depuis plus de dix ans bon président ami précédent précédé bon expliqué le parcours bi nous mu et il y a cela deux ans vraiment bon avons nañu tous ces graves et bon dernière journée bon moi am événement c'était malheureux ce qui avait fait que nous avons monté à en L1 mais cette année-ci bon on était sûr ci li ñu yor ci parce que nous nañ ko miin nañu il fallait juste vraiment cette folle de manquer et puis nous compléter ko on avait les capacités on avait vraiment l'expérience et effectif autant sur le plan administratif et autant sur le plan footballistique pour monter en Ligue 1 Comme on n'a une surprise à on a vu vraiment le pot rose, le, bout du tunnel. quoi. C'était pas facile dans le tunnel en fait. Mais actuellement, on a vu le bout du tunnel et là, on rend grâce à Dieu parce que c'est hyper important. C'est un travail de très longue haleine. Aujourd'hui, ça aboutit à quelque chose d'extraordinaire. Et vive Thiès, parce que c'est Thiès qui gagne. Merci. Vive Thiès, c'est Thiès qui gagne, mais c'est votre, c'est la seule euh, équipe bien en ce moment en Ligue 1. Est-ce que vous avez des stratégies pour maintenir en ce moment en Ligue 1 Parce que yombul, gagne yek. Donc, si vous avez des tamit, il faut que am lu len fa taxaw, euh, tek len fa ngén baña parce que vous bi également une équipe qui xamné dañ jék jék rek yek après ñu Ce C'était pas facile pour eux, mais est-ce que vous avez prévu des stratégies pour vous maintenir là-bas Oui, de la manière dont euh, qu'on a accédé en Ligue 1, mais on va essayer, on va apprendre. Parce qu'aujourd'hui, euh, on ne va pas dire qu'on va venir euh, réellement euh, parce que les gens qui sont là-bas, on va les bousculer. Non. On va apprendre. Et sur cet apprentissage, on aura de l'expérience par rapport à ce qu'on va trouver là-bas. Mhm. Parce que la Ligue 1 et la Ligue 2, je crois seulement que c'est les noms des équipes qui changent. Mais c'est le même football. C'est le même football, mais euh, c'est très difficile aussi de, redescendre parce que même si c'est le nom qui change, le standing aussi, il est élevé. Donc, je pense que euh, même si c'est le même football, euh, les niveaux sont différents aussi. Donc, sur ça, j'aimerais aussi avoir votre avis par rapport à votre entraîneur qui est parti récemment, donc après votre montée. Euh, qu'est-ce qui s'est passé déjà pourquoi il est parti les causes si on peut revenir là-dessus comme ça on l'air a tout parce que y eu des grecs qui rek ci euh, média yi mais je lan que waral départ bi lan départ bi. bon départ bi bon c'est quelque chose qui nous a à peu près surpris bon c'est surprenant parce que logiquement quelqu'un qui a conduit une équipe pour monter en Ligue 1 logiquement vous devez être reconduit et on était dans cette dynamique. Mais malheureusement, vous savez, comme tout équipement, hein, Waldan, c'est un train en marche. Chaque gare a des ni watch. Et là, bon, de manière positive, on l'a accueilli et puis bon, on est en train de travailler. Bon, ce qui s'est passé réellement, rien de grave, rien d'extraordinaire. Parce que là, bon, je parlais très loin. Peut-être le euh, président a parlé de manière diplomatique. Mais Walidan ne doit aucun franc à personne. Mhm. Le manager général, quand vous l'interviewez, il l'a évoqué. Walidan, on est clean sur le plan financier. Ni jour, ni coach, il n'y a personne à qui on doit un sou. Et, du coup, bon, peut-être, euh, voilà, vous savez, le football maintenant, c'est du business. Mm. Les coachs, c'est des businessmen. À un moment donné, bon, tu peux, bon, en cours de route, tu peux trouver plus, je ne sais pas. Parce que bon, on était en train de voir, on a tenu une réunion même. Bon, c'est une confidence que je vous fais. On a tenu une réunion, lui, avec le coach. Trois jours après, on a appris dans les médias, sans préavis, sans rien, que bon, il est parti signer avec Aestaro. Bon, on lui souhaite bon vent. Mais néanmoins, je tiens vraiment à préciser ça. Voilà. Bon, demain, il est à loolu ñu leeral ko parce que dañoo dem ba ci biir waxtaan nañu ñetti fan après ñu dégg ne moom dem na ay star mais est-ce que est-ce que bi mu bi ngeen déggee ni dem na est que woo ngeen ko euh, def lépp pour mu toog wala ngeen xool lan moo ko naq di ba mu dem signé feneen dëgg la le sport c'est business mais euh, c'est lui qui vous a fait monter loolu tam bëgg ko bañ ko il ñu wax ko moom moo leen jéegal donc est-ce def ngeen ay jéego pour mu toogaat ci club bi ndax apparemment jig na leen waaw xam nga nit ki nga après la qualification on n'a pas pris de vacances chaque semaine c'est deux réunions chaque semaine minimum ki la woon ne la kaa ñu toog Ligue 2 lañ nekkoon dañuy dem Ligue 1 même pour salariés, salariés, c'est pas les mêmes choses. Nous ñu commencé ba waxtaan ci stratégie de travail bi de recrutement et tout kon kooku il est prêt vraiment à travailler ak yow mais ba aussi bon on a été très très serein par rapport à euh, ci nouvelle vie def nañu Nous communiqué on prend acte bon on a appris nous bind ko lettre d'explication d'ailleurs même il a répondu on a la lettre certainement au moment où il ko publier si besoin se sentira mhm. voilà mais ce qui est important, c'est que nous ñun def ambition vraiment moo jaaru ci yoon bi mais Wallydaan jusqu'à présent fi mu degon tankam ma nga fa je pense que ne wàccuñu yoon ma damay tay damay jël même même même vocabulaire bu Bakary yi dañuy wax wax bi xam nga yaa ngi laajte ndax waxtaan am si waxtaan am na. oui waxtaan am na. waxtaan am entre walidan et Beau Saliou Touré. Mm-hmm. Beau Saliou Touré sax bi may tuddee le champion des montées parce que moy rak Moustapha Seck parce que dafa yégal Yoff ñu yaakaar day ànd ak Yoff mu bàyyi Yoff jël waal daan yéegal waal daan hmm? waaw au la mai 48 points quatre défaites la am kenn deful loolu c'est un très champion waal daan et que li ma waxoon sànq dama koy waxaat sur le plan financier gàcce ngalaama amul ñu kenn bor waaye sànq bëggoon naa ko wax président alga football moo laaj motivation tu peux pas être champion et que di xaar ay retombées wala leneen pour motiver jour yi waxuma alal ngeen mais bi vous présente des parce que vous êtes des hommes intègres parce que dafa malentendu entre Yen ak pas du sport dafa un radio de la place bu ma wax ci parce que vous Saliou Touré daf may je ay bi signé dimanche man dem que vous bu tudd site ya parce que ñu jëlee woon aéroport fi blé eh, AIBD nekk séeréer saafeen yooyu dañ leen recasé woon Abdoulaye Wade yóbbu leen ci fu ñu tudd site ya mm-hmm. da taw dimanche boobu ñu waxtaan plus d'une heure de téléphone mu ne ma maa ngi dem négocier ji contrat bi ak Saloum ci biir appel téléphonique bi mu coupé 10 minutes 15 minutes après mu waar ma ne ma Linguère ñoo may woo ma jël sama caay-caay journaliste dugg en contact ak waa Linguère effectivement ñu ngi ko doon contacté ma ne ko bu dem Linguère de Saint-Louis mu ne ma lu tax ma ne ko Amara jóge na fa jour cadre jóge na fa projet bu bees la je te je te le mu ne ma mais maa ngi ma ne ko boo demee Saloum su nekkee situation euh, rémunération salariale yi moo ëpp wàllu daan su nekkee le projet est clair su nekkee trois mois yi jëm nii di nga jot salaire demal signé wu Saloum ma toog benn télé de la place waa ji ne ma. Euh, la, euh, la signature de Botré à Saloum, à Saloum loo ci xalaat ma ko c'est très normal parce que il va avoir une revalorisation salariale loolu danaa wax waa Walidaan loolu ana lu ci tooñ am bu nekkee damaa tooñ baal leen ma de loolu danaa wax te je le métier maa ngi télé léegi waxtaan nag ñii ba wax jour yi war dem ak jour yi war a ñëw moom Botré waxtaan nag waa Walidaan wax les jours, yii laa bëgg a conserver dëgg loolu dëgg as. si ñi ñoo war dem donc kooku tey jii am na waxtaan fu mu doon egg. waaw peut-être mënoon na top. ouais est-ce que aussi bu bëggoon na parce que Ligue 1 du ñeexu ñebe de Ligue 1 dafa saf Ligue 1 dafa metti parce que équipe ñu ngi communiquer ci transfert te Walidane ce sont des champions de la communication gis nga bi équipe yi waajal saison yi dañu jël ay mannequin ñu mel ni yow yu taaru gi jëkkal ma solo leen ay maillot Tëngéej moo jël pay Walidane moo jël deux moo jël pay en Ligue 2 dañoo jël jigéen yu jekk solo leen maillot donc ils sont très forts en communication mais ren saison bi tu tijji le 30 septembre ba fini wax ak rétention d'information Walda n'a pas encore communiqué sur un nouveau recru pour quelqu'un qui aspire rester en Ligue 1 se maintenir paisiblement donc bon touré ak je pense que euh, il a écrit son nom dans l'histoire dem comme il l'a dit As on lui souhaite bon vent moi je suis très petit pour vous donner conseil mais moi je pense que c'est derrière vous. Mm-hmm. maintenant comme que nous nous war dans dalal taille, jox exclusivité parce que dans vos têtes Algaf l'entraîneur qui sera sur le bar de exclusivité bon exclusivité ah exclusivité bon vous savez nous sommes pas dans le secret des Dieu hein, nous sommes en sport en football absolument absolument mais quel que soit Alpha l'information du l'information du maanaam su ma doon buur def ko loolu mi ngi ci xelum buur waaw ci xel mi ngi seen xel ah dégg nga yooyu ne su ma doon buur def ko loolu mi ngi ci xelum ah, buur yow xam nga ki war a ñëw fii mu ne waaw li loolu loolu buñ ne xamuñu ko war a ñëw loolu du dëgg waaw dëgg gi mooy ah. dañ doon liggéey nit dem na duñu xaar on n'attend pas On est en train de travailler, il y a des réunions de manière permanente. Ça, tous les deux jours, il y a des réunions de 2h à 3h. Mhm. Rien que pour équipe. Mhm. Rien que pour équipe. Lolo, bon, nous d'aller harounou. Nekkuñu fi di tergiverser de gauche à droite. Les kangel yakari mo réunion. Président wax na ko légui inshallah d'ici fin de semaine. Nous avons na tur yi discours mais ñun avons yaru comme ku ñu mhm. parce que nous ay ndaw Bakary Cissé lañ. am

pas servir une chose qu'on peut pas manger. Mais peut-être des indices, euh, vous avez des personnes dans votre ligne de mire ou ben dans votre ligne de mire C'est liste, un listing. D'accord. Et dans le listing, on est en train de choisir. D'accord. C'est pas encore prêt D'accord. Très bien. Alors, nous sommes ci bi <laughs> ñoré dinañ ko yek ko lek ma ga ga précision pour voir Waldan c'est une équipe frisée Les on est en train de trier de voir et de faire des consultations avec euh, des entiens avec ñi ils sont à peu près ils ont rempli les conditions pour pour Nanak, ne wax yana ils sont venus vers nous envoyer leur CV et là bon comme nous, président Pires Wahé, on est en train de peaufiner on est en train de travailler dessus mais Inch'Allah, di ngeen ci am légui des informations. Bah. Euh, li nga xamante modi di entraîneur bi nar a certes euh, di ngeen ko communiquer très bientôt mais est-ce que vous êtes en train de faire des recrues par rapport aux joueurs aussi pour saison bi di wadi comme je l'ai dit Mala wax na Ligue euh, yombul ben yon wax nga ni presque mu benn la ak day wax ni rek waye yombul balaa nga xam nga jóge li 1 Ligue 2 di nga xam ni yombul donc est-ce que vous êtes en train de faire des recrues pour renforcer seen effectif notamment le bord et également euh, li nga équipe technique oui ça c'est tout à fait normal parce que certes c'est le football qui on demande toujours le football mais ce qui font qui ont fait monter l'équipe tu sais en Ligue 2 c'est c'est âpre c'est le charbon pour aller accéder vraiment à la Ligue 1 il faut vraiment mettre des charbonniers quoi mm-hmm. des gens qui se défoncent mm-hmm. par contre à la Ligue 1 euh, la première division c'est la tactique, c'est la technique, c'est la lucidité et un peu de charbonnier. Mhm. Et dès que tu as ça, tu as une belle équipe. Et actuellement, on est en train de chercher réellement euh, des gens qui pourront nous accompagner, des zones, des jeunes qui sont des caisses, qui mhm. pourront nous accompagner par rapport à ces tâches. Mhm. Si on a la bonne colonne vertébrale de l'équipe, je crois que l'équipe est faite. Nous cherchons juste la colonne vertébrale de l'équipe vous l'avez Vous savez pourquoi euh, J'en profite même pour remercier le site disport.sn, l'abreuvoir du football, qui a fait un joli papier sur euh, Waldan, qui a parlé même du col vertébrale. Aline Badrasek dans les buts, meilleur gardien en Ligue 2. Laïdata, capitaine, meilleur arrière centre en, Ligue 2. Aline John, le petit serreur, sélectionné en équipe nationale locale par euh, Souleymane Dabo, meilleur à son poste. Mouvement Toknati Plateau, traîné à l'UCC. Nous, nous, amour arrière droite, Alun John, n'est le Flaubert, Ndiokh malheureusement il est Camerounais il est dans l'entre-jeu et Fallou Gning qui est devant donc yéen colonne vertébrale kañ am ngeen ko li ngeen ci wax kañ la ngeen ci parce que ñun xam nañu Waly Daan ñun dañuy topp Waly Daan couvrir on a couvert vos matchs cette année président bul day Elgaf li ma koy wax xam fini ko nañu wax fi ñu fu ci recrutement bi c'est on va pas le comparer avec Teungueth et Jaraaf qui vont jouer l'Afrique on va pas vous comparer avec l'US on va comparer avec les clubs qui sont là

fait on peut nous lu tax communiquer c'est peut-être plus stratégique mais nous avons ni on a déjà sécurisé au moins cinq joueurs. on a déjà mais nous loo maintenu, ni parce que je pense que pour nous sécuriser, wax faut que pour man signer signer contrat ba ñu valider ko nous sécurisé parce que nous nañ on est en concurrence avec des des équipes nous loo maintenu. Donc on était koy

Et puis bon nous ngi souhaiter bon vent et puis nous euh, les remercier nous les encourager parce que li ngeen di def sommes tous. solo wax merci beaucoup. merci beaucoup également à M. Pérez c'était un plaisir de vous avoir reçu ici sur le plateau de Rond Central Nous euh, l'avons di vraiment ci accueil bi ndax hospitalité bi nga envers euh, des sports et des sports.sn merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous remercions le fait de nous inviter sur votre plateau et de partager ce super plateau merci. merci et à très bientôt nous l'espérons vraiment pour ñëwaat jubilé ak yéen defaat beneen rond central pourquoi pas donc euh, c'était monsieur As et monsieur Perez ñoom ñoo jotoon toog Nous ci plateau bi ñu enchaîné nag ak beneen ndaw Thiès boo xamante ne ñu bëgg découvrir le talent wax naa ko on aura que des surprises ce soir euh, suñu mënee may li nga xamante modi limu indi rek après ñu mëna wëyé suñu waxtaan ak yenen invité yi nar ci plateau En 1961, la présence de quatre sociétaires de club tiessois à la première rencontre internationale du Sénégal illustre parfaitement les débuts remarquables du football tiessois et sa place de choix dans ce sport. Après un décollage fulgurant, le football tiessois connaît son âge d'or avec deux grands clubs, l'US Dakar Niger qui deviendra US Rail et le COT, club olympique tiessois. Les cheminots s'illustrent en remportant le championnat du Sénégal en 62 et la Coupe en 63. Le COT, quant à lui, n'arrivera pas à rejoindre le club rival au palmarès de la Coupe nationale malgré deux finales mémorables en 1964 et en 1965 et qu'une pléiade de grands joueurs. L'emblématique Boubou Ousmane Samb, Younous Dien, entre autres, étaient des éléments du COT. Ils seront sacrés champions du Sénégal en 1964. Depuis cette date, le football tiessois n'a plus triomphé. Alors, Thiès connaît des hauts et des bas, mais tente de revenir avec des fusions prometteuses. Celle entre le COT et le Thiès étudiant club de Jodiop a donné l'OTEC qui retrouvera l'équipe de l'Adior pour la naissance de l'AIC Thiès avec Mbaye comme premier président. Les jeunes et noirs tentent alors de ramener Thiès au sommet du football sénégalais, mais échouent en finale de coupe en 2003. Les années 2000 sont marquées par une prolifération de clubs. Ainsi, Amitié FC, Ceneps Excellence, Africa Promo Foot, Walidan ont pris le relais. Justement, Walidan tentera de réussir là où les autres clubs de la cité du rail échouent depuis 1964, c'est-à-dire donner un titre au foot soi en catégorie senior. je pense que moom tàmbali na nañ ko bàyyi mu wax ba pare.

muy des sport TV ak desport.sn ñom ñoy sn samay partenaire ci bannière bi ci souf ñu tudd Tanor confection kenen ki mi ngi tudd MDE Tanor confection nak est représenté par son directeur ah Mamadou Dia il est là sur ce plateau man tout le temps damay kontaan diko dalal ndax mom su ñëwee rek daf may indi ay cadeau hein, ay maillot la may indi ci plateau bi donc damay am mbégte kontaan diko dalal nuy na la Mamadou. ma lay nuyu di la sant di nuyu père di nuyu mana di nuyu président Waly daal algaaf di nuyu soo mag Maroon di la di la di la gërëm bu baax di la sant ma lay gërëm bu baax euh, Mamadou ci le bienvenu chez toi ndax fépp fu des sport nekk rek c'est chez toi donc ñu lay gërëm bu baax a baax waaye moom tamit kase teewu fi wax naa leen ko léegi. borom MDE aussi mi ngi fi moom it mooy def lépp luy wàllu euh, meuble yoo xamante ne gis ngeen ko yi ñu toog ni sax des euh, MDE da koy defar ah table yi MDE da koy defar lépp luy meuble ci biir réew mi rek da koy defar ak doomu réew mi ma koy bërëm bu baax a baax a baax moom tamit Abdou Fatah Maroon bienvenue sur ce plateau de Rond Central. salaamaaleykum euh, Marceline maa ngi lay nuyu di nuyu voilà di nuyu Père di nuyu aussi Modou sama rakk di nuyu aussi donc di leen wax euh, salaamaaleykum. aleykum salam, Abdou Fatah Marone alors bala ma ñëw ci da may commencer ci sama papa aladi Père Mbaye Ngoné Fall papa gis nañu légui euh, li nga xamantene modi moo di élément bu ñu waa rédaction préparer ñom itam muy ñaari club yi nga xamantene ne club mythique Thiès lañu muy euh, COT ak US Rail yi lan nga ma mën wax ci ñaari club yooyu. en 1961 la présence de quatre sociétaires de club thiessois à la première rencontre internationale du Sénégal illustre parfaitement les débuts remarquables du football thiessois et sa place de choix dans ce sport. moo xam muy bureau moo xam muy kër moo xam fu ko yaakaar rek te meuble war faa dem rek moom daf cay dugal loxoom te yu mucc ayib moom lay def ah. nu ëlbatiku dal ci ki nga xam ne waxuma la des sport rek mais équipe yi nga xam ne ñu ngi compétir fii ci biir réew mi. Tu discipline bu me mën mais muy natation commandé mu défaral leen livré leen ñu jël seen étiquette def ko ci muy Tanor confection sous vêtements du sport et survêtement du sport un spécialiste dëgg la wax naa ko le président Diomaye ne ko yaa ngi seetaan bi yow bi nga toogee da ngaa sol grand mbubb boo xam ne da nga ne consommé local di sol localement mais kon équipe yi nekk ci réew mi militaires yi nekk ci réew mi paramilitaires yi nekk ci réew mi te ñëpp di sol ay sous

yàlla njëgeen xanaa ci këru diine gu mag bokk ci kilifa diina dëkk njëgeen njëgeen fii yàlla njëgeen xam ngeen ko mais xanaa buuba jaxaaw du ma leen ko nettali xam ngeen buuba jaxaaw ah ah amul kenn ku gis doomam wala mbokkam wala dara buuba jaxaaw waaw lan ngeen bëgg Cees fii la football fekk baax Thiès fii sport fekk baax am na benn athlète boo xam ne champion la woon champion du Sénégal dem na ba Europe battre na sax record ku ma wax turam ci yéen yéen la nouvelle génération ak ban discipline la doon def dëkkoon Thiès dinaa kontaan ci yéen lu ngeen bëgg ma wax ko léegi Tanor dina leen jox sous-vêtement du sport dina leen jox maillot dina leen jox lépp athlète boobu kan la woon te dëkk Thiès ban discipline la doon def ah déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet Moussa Fall Moussa Fall. jërëjëf papa. Moussa ak moom athlétisme. jërëjëf y' deux Moussa Fall. y' a Moussa Fall saut en hauteur Moussa Fall 800 mètres.

ban mbër la déedéet Modou Anta est récent déedéet déedéet déedéet du jeex jàmm de déedéet waa du Matar Mbaye de kan la ah ah déedéet du algaaf kan déedéet du Zarko kan la ah jekk kaala jekk kaala. déedéet papa. le père de Cheikh jekk kaala jërëjëf sama papa ji ah, xam naa ne lii amoo leen ko man maa ko am man bi nekk des sport maa am ak sama papa ma koy gërëm bu baax a baax loxoy siiga ee eh, loxoy siiga ee xana lo ee loxoy siiga ee eh, xana daala loxoy siiga ee eh, xana daala jërë ngeen jëf jërëjëf papa Mbaye Gone Fall may jeex na may dellusi si ki nga xamante ne moo di Abdou Fatah Mbarone

nga xam ni mooy taxu ko ah nga nekk ci benn euh, dynamique boo xamante ni nii am na ay yeneen équipe yoo ko ah nga ñafe ba yàlla dogal nga génn ci premier ba war a monter dem Ligue 2 Ligue 1 du moins euh, donc kooku wax dëgg yàlla dañ leen di sargal mais en même temps buñ leen sargalee tamit ñu wax leen ne bon yeneen multinationale yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi mhm. ah nañu jàppale lu mel ne club yi parce que club yi son nañ ci loolu am nañ problème sérieux surtout financièrement mhm. dañuy am problème pour euh, yenn détails yi parce que man xam naa ci lu bëri parce que souvent xam nga semaine bi chaque semaine nga bëgg a football mm. déplacement yi xam nga souvent loolu aussi beneen détail la boo xam ne dafa xaw a compliqué trop

victoire bi du yam rek si Waly daan ak koñ bi mu nekk. Mhm. donc euh, victoire dëkk bi yëpp la Thiès yëpp la. donc kon képp ko nga xam ne doomu Thiès la man lan appel bi may lancé ku ci nekk loo si mën a jàpp nga jàpp ko ku am dërëm dugal dërëm ñeneen ñi nga xam ne aussi comme ni ma ko waxee ñi ngi fi peut-être am ay sociétés yoo xam ne mën nañu nekk sponsor wala soit loo xam ne mën nañ leen si jàppale ñu def ko parce que tam xam nga soo montee dem Ligue 1 fekk fa ay équipe yoo xam ne aussi ay équipe yu am doole lañ. Ah, donc kooku beneen affaire la donc il faut nga bëgg recruter aussi ay joueurs parce que nekkul ni joueurs yi nga doon footballé ndoo ak Ligue 2 bi peut-être que soo monté ah, di boo demee Ligue 1 am na am na yeneen équipe yi nga xamante ni ay grosse pointure la yoo xam ne di nga leen fekk foofu. Mhm. te boo yéegee boo leen fekkee foofu ah vraiment da ngay bëgg a rester Ligue 1 mais xam nga tamit monté année bi année bi ci toppaat nga wàcc. loolu tamit xam nga taxul nit di monter. Mhm. c'est parce que da ngay bëgg boo monter tamit. te donc pour rester donc dafa am lu muy laaj mooy moyen donc moyen yooyu nag man maa ngi lancé appel gars yi jàppale leen ci daal donc voilà noonu daal laa ko gisee quoi. c'est très important merci beaucoup euh, moom appel bu am solo la def vraiment. Euh, ak cri de cœur la def ndax moom it euh, dafa yor entreprise nekk fii ci réew mi di dimbali doomu réew mi ndax moom it su soo waxee des sports rek mooy sport en général donc dafay jàppale sport bi ndax mi ngi ñëw di jàppale émission yi des sports di def di leen encourager di dugal momit it su dee ñetti dërëm sax ci des sports donc lolu tam day jëmele sport kanam donc Abdou Fatah tu l'as dit tout de suite né nga que même multinationales yi war nañ mëna ñëw mais est-ce que tamit comme des entreprises comme toi des jeunes qui viennent de créer par exemple ben Marceline ou ben cosmétique bu ndaw est-ce que mm. tamit su jëlone ben 10 000 am bu dé kenen ubi poissonnerie wa malansane jël momit 2000 francs wër bu dé ñoom ñoom ñëpp waa gox bi waa mm-hmm. koñ bi dajale seen i 1000 francs 2000 3000 mm-hmm. euh, jàppale ko ASC bi jàppale ko club bi pour mu jëm ci kaw est-ce que gën a yaakaaru ni mooy gën a gaaw ñuy xaar edu ay multinational boo ma dégloo loolu laa njëkk wax mm-hmm. dama ni ki nga xam ne dafa am multinational boo ma dégloo loolu laa njëkk wax dama ni ki nga xam ne dafa am dërëm wala ki am ñaar dërëmoo na ko indi xool li mu si mën a jàppale équipe bi mu def li ngay wax noonu lu am importance la benn machine bu am dix mille wala dugal cinq mille tonton père dugal deux mille ainsi de suite loolu aussi day doxal këram. mais man loolu koy jàppe quoi c'est-à-dire euh, baax na mais loolu peut-être que boo nekkee si ay nawetaan ak yooyu. Euh, loolu mun na nekk mais xam nga football professionnel lañ wax. Mm-hmm. xam nga football professionnel dafa am lu mu laaj. Mm-hmm. parce que bu fekkee da nga ne professionnel rek. Mm-hmm. donc kooku beneen niveau nga nekk quoi. effectivement donc te li mu laaj moom. moyen la te moyen yi financièrement la quoi xaalis la coow li coow li moom euh, yi coow bi bu ñu demee fin bi li li muy doon yëpp ñëpp xam nañ xaalis la xaalis la dëgg te loolu ay dix mille ak cinq mille bon ah, baax na nag ah bu bëree de dina mës a mujj nekk xaalis mais munu koo doxal waaw mun ta yor équipe waaw tey maa ngi yow ñu li lijjanti benn deux mille cinq cent mu tekki cinq mille ñu dajale dem yóbbu cest à bi nga ko kiiwee euh, tey jii par exemple est-ce que sax mën na louer bus pour dem tey jii ma bëgg la wax tey ñu bëgg a dem football tey jii Ziguinchor. Mm-hmm. war a dem football Ziguinchor tey war a jóge Dakar Ziguinchor su fekkee ne tey club bi amul bis xam nga day louer bis mm-hmm. léegi bu dee dafa louer bus aller retour su demee foofu donc loolu euh, xam nga loolu charge la est-ce que charge boobu aussi 5000 10 000 mën na ko def non donc loolu si beneen débat la suba yaa ngi jëm Saint-Louis ginnaaw suba yaa ngi dem Kaolack. donc mu nek ay détails donc il faut que tamit lolu ñu xol ko wa peut-être que boudé da ngay Dakar ak bon là ay fi ay Dakar ils sorewul nañ ko comprendre peut-être que nañ ko lijeenti ak détails mais souvent tu nekké ci ligue professionnelle ah donc situation oblige la donc il faut que gars man pour man lima gis donc ñi nga xamni dal ñoy doomu dëkk bi ku ci nekk amna lu nga mhm. donc man chaque jour dama est-ce que pourquoi pas nan la ñuy def ba nga xam ne tey benn société bu mag bu fi nekk euh, bu fu bëgguma tudd parce que boo tuddee peut-être xam day nekk ci théorie yu demee noonu. Mhm. mais tey ku nekk jéem a xool lan ngay xool benn dëkk bu nekk. xam nga tey jii euh, boo demee ku nekk su jëlee rek benn équipe euh, mun naa ne di ko dimbali à 40 pour cent wala 35 pour cent donc peut-être wala au

Mm. donc euh, ñu bari ñi nga xamante ne sosu nañu ci réew mi. Mm-hmm. Hein, donc euh, ñi ngi koy déglu di ko seetaan. cri du cœur bi su si ñëpp jàppee je pense que dina mëna jëmele li nga xamantene modi objectif yi mm-hmm. kanam. alors euh, Mamadou Dieng yow mi fi téwal Tanor Confection itam gis nañu que tout le temps da ngay japp ci walu sport bi. gis nañu don yi nga xamantene indi nga ko tay encore muy quatre équipes yi nga xamantene ño wara dem fële coupe du maire vraiment nga indi len li nga xamantene modi équipement. Hein? pour encourager leen pour gën leen ñaax ça prouve que euh, suñu doolelee suñu entreprise yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi dina mën permettre liggéey bi mën a jëm kanam ça prouve que euh, liggéey bi ñu ñëpp a ko bokk donc yow it à chaque fois ngay apporter ce pierre à l'édifice Mamadou euh, lan nga ñu mën wax par rapport ak li nga xamante ne mooy ñi qualifié en coupe du maire ñoom ngay solal. waaw maa lay nuyu bu baax di la sant donc tey boo gisee ñu ñëw yàlla dafa def que des sports.

donc mu nekk ay players mu nekk ay normes yoo xam te ni yu am solo la donc boo xoolee dañ ko dañuy def bu ne échantillon pour jox ko pour chaque équipe pour après ñoom ñu jox ñu seen taille tey loolu yëpp li ko waral mooy ñun dañu nekk ay dañu nekk entreprise boo xam te ne Sénégal lañu nekk donc am nañ lu mat cent emploi donc normes internationales lañu nekk dañuy liggéey américain yi dañuy liggéey Côte d'Ivoire dañuy liggéey club yu mag yu bëri si si sous région bi donc am na marque yu bëri yoo xam te ne ñu ñoo koy def te bu ma taxawee fii tey balaa ma doon wax sax dama war a gërëm bu baax algaaf donc man damay fàtte wax ne ñun suñu waa kër yëpp ñun Thiès sañ dëkk sama maam mooy El Latir Gueye ñu bëri xam nañ ko fii Thiès bokk na si premier cheminot fii moo donc kooku ma xam ne sama mbokk la te comme lu euh, sama mag wax léegi Fata donc en tey

du tanoor rek mais am na beneen tanoor bu tudd tanoor granula moom day day liggéey si si affaire yu mbin dafa defe naa ngi mooro donc kooku dinaa la mettre en rapport ak moom sama grand frère la ñu bokk ndeg bàyyi moom war na lu mën a jàppale si si RSE bi muy def parce que société mine bu mag la yor apporté pour jàppale leen mais comme li ñu wax yoon yemu si benn te xëy na ñun amoon nañu ambition pour liggéey ak Walidane mais amna ñu yeneen vision yoo xamante ne peut-être mun na nekk tey lu mel ne bii sport maa ngi liggéey ak ñoom ñoom ñu ngi sol Jéhovah mais léegi talon la ñuy sol donc moo tax yi bu ñu ñëwee li ñu mën a def mooy waxtaan mais xool yan solution la ñuy def pour pour gën a apporter te il faut nit yi di di di promouvoir les entreprises locales en même temps di di consommer local di di jéem a jàppale seen entreprise locale yi nekk Sénégal parce que loolu moo mën a développer Sénégal tey ku mel ne sama mag grand fata tey vision bi mu yor moom laa yor parce que sama mag la moo ma yar te bu ñu toogee si jotaay yi damay am kontante te yii nii dafa nekk loo xamante ne nit yi dañ si war di bàyyi xel moo tax man sama origine Thiès donc muusante lañ dëkk samay maam yëpp fi lañ nekk donc tey du ma ñëwee gis waali daan waali daan waali daan ñëpp la donc ku si mën a jàpp da siy jàpp HLM ngeen ma fekkoon falaa dëkk dëkk la mais

Merci beaucoup. Alors, euh, très rapidement, euh, Fatayot, si tu, veux, si tu peux revenir un petit MDE, très rapidement, balaa ñoo parce que xam ni temps bi xoj na ñu guddi na te ñeneen ñu war a plateau après nga tàggatoo. D'accord, accord MDE donc euh, société le bon xam Ni, nii man maa en train muy faire tout ce qui est mobilier des bureaux mobilier des maisons ak lépp loo xam ne dafa mobilier. donc ñun ku ñu soxla donc di ñu mën a fekk route la l' aéroport immeuble macha allah suñee foofu ah dinañu la toppatoo bu baax euh, yàlla def na aussi tamit bi ñu ko tàmbalee ba léegi bari na ay grandes société yoo xam ni wax dëgg yàlla soo fa duggee di nga fa fekk suñu marque donc loolu moom euh, suñu borom jàppale nañu ci ah ñuy woowaat ñi nga xam ne suñu ay doomu réew lañ. te xalaat nañ ni aussi bëgg nañu def bureau wala am na lu nga xam ne am idée pour def ko wala dara euh, mën nañu ñëw jegi suñu parce que bu ñu ñëwee dinañu leen jàppale parce que am nañu lu ñu créé loo xamante ni amul won ci liggéey bi parce que souvent soo ñëwee bu ñu xoolee gis ne yow bëgg nga liggéey te xalaat nga ni sa xalaat mooy ñëw ñëw nga jege suñu Euh, dinañu la jàppale defal la ay facilité yoo xam ni li nga soxla yëpp di nga ko mën a am ci noo xamante ni nii du diis ci yow et puis du metti quoi euh, te loolu aussi daanaka ñu bëri loolu la ñuy soxla parce que soo bëggee taxawal entreprise soit nga bëgg a créer benn société wala dara donc soo koy def donc ne dina la mën a jàppale waaw ah, léegi comme nag ñun doomu réew mi lañ xam nga doomu réew moom mooy jàppale doomu réew mi donc vraiment on est là dal ñun ñi ngi fi pour dimbali daal képp ki nga xam ne daal soxla nañu soxla nañu ci ñun li ñuy def parce que boo ñëwee dinañu la jàppale et puis dinañu la dimbali dal am na solo merci beaucoup ba bàyyi la nga tàggatoo Abdou Fatah. waaw donc kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ni kontaan nañ trop si invitation bi vraiment di leen wax ni des sports ci kaw ci kanam. des avec ses partenaires. ci ah. kaw ci kanam ñu lay gërëm yow bu baax euh, Mamadou Dieng borom Tanor Confection.

seen équipe buy dem momi it talon lay sol donc loolu fierté la di len gërëm di len sante bax di nuyu wa walidan di len wax ne ñun ñun ay jeune lañu te te lépp lu ñuy def dañuy bëgg jiital Sénégal yi di di gërëm président bax di gërëm nak PCA moy Bakary Cissé moom dafa gëm consommation locale mom ak Mbaye Sène donc tay bu ma toogee di wax limay limay li may mun mooy di len gërëm di len sante

war nañ ñëw jàppale club yi wax na dëgg parce que buñ ñu jëlee ne serait-ce que ci RSC e bi rek mën na dimbali yenn yenn yenn club yi parce que club yi yaa ngi wax ne seen voyage yi dafay xaw a métti c'est vrai pour nga jógee fii dem dem Saint-Louis rek minimum il te faut un million deux cent donc boo ko bëggee def chaque week-end day métti waxuma la sax jógee Saint dem Saint-Louis mais ku mel ni Waly nga xam ne dina ñëw Dakar ñeenti yoon wala juróomi yoon c'est l'argent il faut que ñu jàppale ces clubs là parce que le président euh, président yi euh, kese mënul génn seen poche dina aussi yéen euh, que même euh, Tanor ñu jege wa Walidan, parce que ñooy suñu deuxième numéro jàppale parce que ñun euh, li ñuy gën a bëgg mooy club yi des en en en ligue en ligue 1 Benen bi am internet yo xamné sama ñu ngi may bind pour mo ñëwaat ci Boo si vous le permettez di wax né Boo mo amul deug parce que tay jii dese na ko un an de contrat ak ak Walidan ñom ils ont eu la grandeur bàyyi présentement affaire bi mu sedd mais ñom aussi dama len wax sank maak Père Mangone ñuy bañ wax seen short list am na ñetti entraîneur am na ci kenn koo xam ne direction technique la bokk amener na ci kenn koo xam c'est un pur produit local et un troisième et que ki nga xam ne sax mooy doomu dëkk bi nekk le pur produit local moo xaw ak sax nekk un pas en avance ci projet bi pour nekk l'entraîneur de de Waldan, de dinaa leen bàyyi ñoom si semaine bi ñu joxe ñu turin mm-hmm. effectivement papa ma bàyyi la nga gërëm mais loolu doon nañ ko wax nee naa la loo ne su ma doon buur def ko loolu mi ngi ci xelum buur ñoo la gën xam xew waaye nag nee na ci fan yu néew dinañ ko leeral. incha leen dara. jeex na waaw waaye nag ki xiif moom loo ko wax lu du lekk gaa ngi rek yàkkamtiw ko. Mhm. exclusivité bi du moom nga ne moom nanu bëgg. moom nanu soxla wax nu ko te doon koy am ndax ñun ñu ngi équipe yëpp te doon yaatal kii nag MD moom doon koy gërëm bu baax. kii mooy MDE. nekk route de l'aéroport déglu ko bu baax li mu wax de. dëgg la nëbbatuwul de. déedéet.

kenn du ko ne bokkal ci partenaire yi mm. moom daa bokk ci partenaire yi mm. kenn boolewu ko ci da ko cee da cee bokk dëgg la daa bokk ci waali daal jërëjëf papa li Tanor wax am na Tanor confection am na mm-hmm. mais Tanor industrie nga ne ah waaw ñooñu kay xam nga ne tëdd kii Tanor bokk ci ay gembe yi nga xam ne ñoom ñooy surtout saale bi gëngoon nañu ko faal yaatin ko joor ñii seen sant kenn du leen laajte ci réew mi. dëgg la dama dem ba ëlbatiku équipe yi di ko jox bopp nee naa Gambie ngay tollu sama ak kan nga ne tànnoo. Libéria Libéria ma ngay solu sama loxo lay sol nga ne ak kan. Ah, ak Sénégal lan moo tax l'armée warul daw ñëw tout ce qui est équipement ndaxte contingent yi. Mhm. ñu nekk séy yi. Mhm. Mhm. ñu nekk feneen. suñu dee footing le matin ay survêtement du sport la ñuy sol a sol. jeex na papa jërëjëf. waaw bala ciy gërëm bu baax a baax. final coupe du Sénégal junior yi. waaw moo solal équipe yi. waaw final coupe du Sénégal senior bu mag. moo solal équipe yi. ak féminin bi jërëjëf. jërëjëf papa jeex na papa ma tàggu la yow itam gërëm ci teewaay gi nga am ci plateau bi. kontaan ak mbégte lay am saa su nekk di la dalal. waaye yow dama lay ñaanal di ko ñaanal nag sama PCA ba Bakary Cissé. ku jar a mbay gis nga li mu def. ku jar ñaanal léegi soo dee xool riñaan. kese waaw di gën a amélioré ba performance. di ñaanal Bakary. amiin sunu borom taxawu ko bu baax a baax a baax. amiin yaa rabbi Pape di ñaanal soxnaam tuuti. Hmm. tamit tuuti a na ko yàlla taxawu. ci barke Sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba. kooku sama doom la maa ko doom. jërëjëf papa jërëjëf gërëm bu baax. ma lay gërëm yooyu bu baax euh, Malang Sané l'enfant chéri de la banlieue c'était un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec toi encore une fois. waaw maa ngi lay remercier bu baax a baax ak euh, professionnalisme bi nga xam ne moom ngay àndal saa su ne ci plateau yi nga xam ne yaa ngi koy mëne café de sport wane na boppam Sénégal yëpp bu ñu naanul café Marceline Ba di Sport TV du ñu am jàmm waaye di wax ne rek fi mu neexee lañ koy dagg parce que bëggoon naa laaj waa walidaan yi parce que sa biir wax tey bi ñu defee journal télévisé bi wax ki nga xam ne mooy Badara Sarr yow bi ngay tijji ma dégg la nga wax Sidaat Sarr wax Pape Matar Sarr tey jii doon leen laaj ndax walidaan ndono la wala du ndono et fa lañ toll ak famille Sarr bi parce que dégg duñ ci ci biir équipe bi est-ce que réellement dafa am problème ou pas parce que gisatuma ci Dabo dem na amitié Latouf dem na amitié Saer gisatuma ko ak ñu bari ñoo xam ne gisatuma leen am na sax Saer dem na environnement foot donc boo naawalee ñu wax ma ñooñu nga xam ne c'est des pionniers bokkoon ñoom liggéey bi parce que am na ko wax ne travail de longue haleine la travail ko ñu ko commencé woon mm. tey ji leen. jëluñu football parce que ñu ngi club amitié FC ñoo bokkoon ñoo bokkoon Ligue 2 environnement foot mooy équipe Mamoud Lamine Sadio international sénégalais tey bu ñu dispersé seen force yooyu est-ce que du jotul ñu toogaat autour du table retrouver ñoo ñëpp andiwaat leen sax pap Matar Sarr waaye daan former ko ñi nan faya Fayako moo ko moo ko formé ci dëkku li nga xam ne mooy loolu yëpp bëggoon naa ji ñu leeral mais lu duuf ci ci bi xaju ci nak bi on se donne rendez-vous Maslin très prochainement mi ngi noonu yaa ko waxal sa bopp li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li euh, je pense que suñ ko fi naree étalé dañ fiy fanaan te nit yi xam naa ni sonn nañu depuis ce matin ñi ngi àndandoo ak équipe bi vraiment di wéyal euh, dama bëgg a ñi nga xamante ne ñoo di président euh, ñi nga xamante ne ñoo mayo yi ah ñoom it ñëw récupérer seen i mayo parce que échantillon la leen Tanor confection su mënee ñëw récupérer échantillon am ah bi bi nga xamante ne Tanor defal na ko ko après mën a jox mesure yi. ñoo xam ne ñu ngi dëkk nekk fii waaye xamuñu ko. lu xam ne kat dëkk bii da ngeen am dëkk boo xam ne ñi ko am ci région yi ak histoire bi fi am. bariwul ndax dégg ngeen nu ne en 1904. c'est fii la. 1904 le seen maam Jéeri Joor Ndeela ñëw fii taxaw jote ab commandant satan ci kër gouverneur keroog doon ko jam paaka xotti ko ba dagaale seen tur mu leer la rek loolu fii la amee woon bu leen fàtte ne dixième gii aramati xam nan la tudd hmm. am na ñu koy wax camp fédéral bu la tudd moom dixième gii alors Papa may ma jox euh, président euh, AS Espoir moom tamit mu jël li nga asalaamaaleykum di qualité bu baax la dañuy wax rek di woo yeneen ay fee le fait que ñuy dem di commander feneen ay mayo comme ni ko père Mangone waxee mm-hmm. am nañ ko suñu réew te mm-hmm. doomu réew mi moo koy defar mm-hmm. ñu ñëw kontaan nañ ci trop merci beaucoup euh, soxna si yow it ñu lay gërëm bu baax a baax di la souhaiter bonne chance rek <laughs> ci euh, compétition bi nga xamante ne dañ ci dem alors euh, le prochain sur la liste mooy Cité Lamine donc ma woo président ASC bi su mu nee ñëw moom itam récupérer li nga xamante ni moo di maillot échantillon yi leen Tanor confection defal donc seen bi yow it ma nuyu la noo tudd ak euh, lan nga xalaat ci mayo yi nga xamante ne tamit confection jox na leen ko. asalaamaaleykum maa ngi nuyu maa ngi tudd Moustapha. Euh, président wu ban ASC. ASC Cité Lamy. d'accord alors. Euh... président de ASC Cité Lamy. d'accord. maa ngi leen di nuyu di remercier Tanor ci confection bi ñu def nii muy mayo yoo xam ne tissu bi tamit original la kontaan nañ ci trop di wax yeneen ay yi ak ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci.

Euh, ñu mën a wéyal euh, li nga xamante ne moo di seen final alors finalu coupe du maire yow it seen bi noo tudd ak euh, noo gisee li nga xamante ne moom la ñu Tanor confection jox tey salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp man maa ngi tudd Mame Doudou Diagne mhm. dëkk ASC Africa président commission sportive mhm. di rafetlu li macha allah rafet na trop di wax lancer appel ASC yi nekk ci Thiès yëpp ak yéen ci Sénégal yépp ñu ñëw commander ci parce que moy qualité bu baax la boko ko di nga xamni ne sol nga qualité bu baax diko rebessier remercier di ko encourager di ñaan yalla euh, société bi jëm ci kanam ci barke yonent bi ñawit it ñu lay gërëm bu baax euh, jërëjëf euh, sëñ bi vraiment alors euh, pour finir bere ko muy président AIC Wali Daan donc mom itam mom lañuy ñuy mu ñëw jël ci li nga xamantene modi mayo yu ko Tanor confection defal muy ay échantillon ngeen wara jox mesure yi Tanor confection sëñ bi mu it ma bàyyi la ko présenté wu. oui c'est Ibrahima Bakassar c'est administratif ASC Wali Daan vraiment di rafetlu initiative bi di gërëm ñi nekk si plateau bi euh, di remercier Tanor mi vraiment li mu def nii moom c'est à saluer la quoi ñu jàppale ko ba mu mën a àggale liggéeyam vraiment di kontaan bu baax a baax. ñu lay gërëm bu baax yow itam alors euh, lii lañ leen jagleeloon tey ci émission vraiment rond central ñi ànd ak population thiessoise bi yëpp ñoom it ñu dalal ñu bu baax a baax a baax ndax euh, man dama ne woon damay toxu ji HLM mais changé naa léegi Thiès laay toxu si waa Thiès utal leen ma fii benn deux chambres rek soriwul ah ma ñëw euh, dëkk si fi ndax gis naa ni Thiès neex na li ñu wax ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee waaye ba ma xasee ba ñëw Thiès ci laa gis ni Thiès neex na lool donc fas yéeneetu ma ñibbi utal leen ma fi ab pantere bu ndaw rek donc may gërëm waa population mm-hmm. Thiès bi yëpp nga xamante ne dalal nañu fi tey di gërëm également Euh, monsieur Ibou mi nga xamantene dalal nañu depuis ce matin ah ceeb bi neex berne bi neex na toppatoo bi ah, mucc na ay vraiment biñu ñëwé ba légui yow ak wa kër gi ak maman yi vous nous avez bien accueilli ah, top ñu ah, ak suñu chef cuisinier bobu di euh, monsieur Gay yeen tamit toppatoo bi neex vraiment amuñu sen fay merci beaucoup à toi Ibou et à toute ta famille may gërëm sama partenaire yi may accompagner chaque fois duñu yëm kasse sur on Central émission yi am ci télé bi yëpp dañuy accompagner muy Tanor confection présent ici sur ce plateau di également Orange Actionatel. Ouais, waaye du ma fàttee benn yoon Pepsi ak Kirène yi nga xamantene dañuy gungé. gunge Asante ñi nek ci euh, bâtiment également ak ameublement dañuy gungé. waaye ameublement bu magamag bi mu di MDE ñom itam dañuy gungé. Euh, di ñu toppatoo di ñu ça, saa su xbet un jeu qui est interdit au moins de 18 ans à partir de la majorité mën ngeen ko jouer mais mais remercie également waa ASECO yi nga xamante ne ñoom vraiment depuis ce euh, matin ñoom ñoom ñooy indi ambiance bi fii ci euh, place de France fii ci Thiès di gërëm population Thiès bi ak waa marché central yëpp ndax ñoom la ñu àndaloon mm. équipe technique direction bi maa ngi leen di gërëm di gërëm sama papa ak ki nga xamante ne moo nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour beneen numéro rond central ci beneen gox xaar leen ñu à tout moment mën nañ ñëw rek ne jamet seen i kanam bu boobaa ñu mën a wéyal ak seen i équipe ak li nga xamante ne moo di sport sport bu am ci seen gox yëpp may ñaan asiko bi rek suñu mënee tëjal ndax ñu mën a tëj ci ambiance agora. agora agora. ya Cette émission vous est offerte par OneXPet. Ascent SARL est une entreprise spécialisée dans le bâtiment, les travaux publics et terrassements. Vous avez la possibilité de louer des engins de chantier tels que des bulldozers, grues, porte-chars, excavateurs, camions-bennes et tous autres types d'engins de chantier. Ascent SARL est aussi spécialisée dans l'ameublement, la vente de matériel de construction et la droguerie. Avec notre fabrique de briques et de pavés bordures, nos réalisations sont plus efficaces, plus sûres et plus garanties.